information par rapport au deuxième tour bi ñuy dem deuxième tour su luy jeexee ki nga xamante ne admiwul mun na ñëw jël si livre ki nga aussi admis les premiers et le deuxième Nous n'avons na ñoo si relevé ña ca des amoo droit à un relevé hmm? second tour ku fa dem boo paree léegi bul ñibbi nga xaar nga def sa choix pour matière nga au second tour c'est clair voilà sans plus tarder on va donner la parole à madame euh, Simon qui va vous proclamer le résultat des, euh, euh, des admis au premier groupe. maintenant vous premier groupe bi jeex rek ngeen yaakaar Non, na non non ñaari liste liste pour le premier groupe et liste pour le second groupe Quand vous premier groupe bi jeexee déggoo leen seen tur si na ngeen xaar ba deuxième groupe bi ok allez-y madame vous avez la parole. bonjour cher Godoy. Vous avez dégluwul nag après quand on termine on va afficher hein parce que quelque part on va afficher ça là-bas vous allez voir. Liste des candidats admis au premier groupe. Numéro 7, Mamdou Sow, lycée mixte Numéro 16, Ahmed Dieng, lycée mixte Ahmed Boy, numéro 3, Ahmed Boy, lycée mixte Ngéguine. Ndei Fatou Diassé, lycée mixte de numéro 43. Numéro 18, Yacine Conté, lycée Mix de Numéro 2, Penda Tokosel Ba, lycée mixte Numéro 29, Hadiba Ba, lycée mixte Numéro 13, Ibrahima Ba, lycée mixte Numéro 24, Abdoulaye Ba, lycée mixte Numéro 9, Ami Cham, lycée Mix numéro 15 Boubacar Diallo lycée Mix numéro 48 Ndaifatu Drame Dramé lycée mixte numéro 4 Pate Boy lycée mixte numéro 77 Awa Cham. lycée mixte numéro 58 Keba Masali lycée mixte numéro 59 Aïda Ndiaye lycée Mix numéro 73 Aïssatou Sek lycée Mix numéro 5 Ami Diallo lycée Mix numéro 52 Moussa gay lycée Mix numéro 11 Fatou Ba lycée mix Numéro 21, Elage Abdoulaye Cham, lycée mix Numéro 66, Daoud Ndiaye, lycée mix Numéro 53, Fatouka, lycée mix Ndédieng. 28, Hadidja Touba, lycée mix Numéro 51, Oumou Kalsom Gaye, lycée mixte Ndiédiène. Numéro 72, Ibrahima Sall, lycée mixte Ndiédiène. Numéro 50, 57, Malik Kunta, lycée, Malik Kouta, lycée mixte Ndiédiène. Numéro 56, Souleymane Kébé, lycée mixte Ndiédiène. Numéro 8, Ramatoulaye Sow. Ramata Sow, lycée mixte Ndiédiène, numéro 71. Fana Nyang, lycée mixte Ndiédiène, numéro 19. Abdou lycée mixte Ndiédiène, numéro Kumba Diallo, lycée mixte Ndiédiène, numéro 20. Souley lycée mixte Ndiédiène. 39, Maki Diallo, lycée mix Ndjeng. Numéro 38, Lamine Diallo, lycée mix Ndjeng. Numéro 49, Amine Gaye, lycée mix Ndjeng. Numéro 54, Ibrahim Kambi, lycée mix Ndjeng. Numéro 22, Omar Cham, lycée mix Ndjeng. Numéro 12, Ibouba, Lysémique Ndéjen. Numéro 80, Papcham, Lysémique Ndéjen. Numéro 45, Ablaï Diop, Lysémique Ndéjen. 76, Oumoussi, Lysémique Ndéjen. Numéro 6, Amisal, Lysémique Ndéjen. Numéro 50, Fatoumata Gaye, lycée mixte, Numéro 69, Mam Aïtandour, lycée mixte, Fin de liste, premier groupe. Et eh, C'est pas fini c'est pas fini et eh, eh, jeexul eh, ah. Ah. liste des candidats proposés aux épreuves. Numéro 35. Ndeye Fatou Camara Lisa Mix Ndiédiène numéro 46 Cheikh Diop Lisa Mix Ndiédiène numéro 62 Astou Ndiaye Mix Ndiédiène numéro 14 Oumou Ba Lisa Mix Ndiédiène numéro Barham Thiam Lisa Mix Ndiédiène numéro Ami Colette Ba

Numerotesan Bilang Hadid Jam Mr. Mix JJ Numero 36 Aïssatou Souzé Mr. Mix JJ Numéro 31 Sira Ba Mr. Mix JJ Numéro 27 Awa Ba Mr. Mix JJ Numéro 81 Serigne Touba Cham Mr. Mix JJ Numéro 55 Kenny Kambi Mr. Mix JJ Numéro 42 Mamadou Lamine Badi Lise Mik Ndiegen Numéro 47 Amin Fay Diou Lise Mik Ndiegen Numéro 23 Robo Sek Cham Lise Mik Ndiegen Numéro 64 Bouba Ndiaye Lise Mik Ndiegen Numéro 70 Walin Nyan Lise Mik Ndiegen Numéro 68 Mathieu Long Ma Thiondong unité 8 Ndiédiène numéro Adama Sow unité 8 Ndiédiène numéro 60 Abdoulaye Ndiaye candidat libre numéro 42 El Hadj Diaté unité 8 Ndiédiène Bari unité 8 Ndiédiène numéro 65 Boy Kouma Ndiaye unité 8 Numéro 41, Mam Diara Diao, lycée mix Ngédieng. Numéro 17, Ney Fatou Gueye, candidat lycée Ngédieng. Numéro 40, Binta Diao, lycée mixte Ngédieng. Fin de lycée.